merci beaucoup madame la présidente monsieur le ministre et vos collaborateurs nous sommes nuyu kenn ku monsieur le ministre de la culture et du patrimoine historique nous nuyu di par rapport ce euh, document de dañu perspective 2024 vous allez organiser un festival international cinématographique et de l'audiovisuel quelle est la pertinence de euh, ce festival d'autant plus que dafa am des rencontres yo, xamante si rencontres cinématographiques de Dakar est-ce que nous renforcer renforcé nga rencontres ne nous mooy rencontres yooyu doon pertinence de trop que nous organisons li nga festival international Je ma des éclaircissements par rapport à ça Je bi saluer li nga xamante ne si moom ngeen euh, inscrire li nga plan national du patrimoine euh, bi nga xamante patrimoine euh, bu UNESCO Euh, monsieur le ministre est-ce que en dehors de ce plat vous envisagez d'inscrire des objets des œuvres wala alors yeneen en a c'est en dehors de nos plats qui li nga patrimoine historique boobu monsieur le ministre c'est par rapport au retour du grand prix du chef de l'État euh, par rapport aux arts et aux livres gis nañ ne daan na am bu yagg mais dafa am certain temps bo xamante si na amul ba 2017 ñu gis ne le président de la république mo jëlone décret euh, nommé def ay nit wax ne ñi kat jox nañ leen le grand prix du chef de l'État allant dans ce sens may laaj foofu ban ndax dañuy retourner waat ci ancien ancienne méthode bi wala bok dañuy continuer loolu nga xamante ne si moom nomination yoyu par désignation yi du moins par par décret benen bi may laaj par rapport au fond euh, du livre et de la lecture gis nañ ne ciy def efforts mais est-ce qu'il y a une évaluation allant dans ce sens pour vous permettre parce que édition et ak livre yi gis y a mi ngi am mi ngi cher beneen bi production bi aussi ni mu war a mel dese na est-ce qu'il y a une évaluation allant dans ce sens benen bi muy par rapport à la diplomatie culturelle dañuy gis ne nit ñi bu wax culture peut-être dañ ko yemale rek suñu réew mais le Sénégal fait partager avec d'autres zones à l'international côté vous en tant que ministère vous avez fait domaine par rapport au traité de Marrakech nous remercier par rapport à la diligence de saluer l'effort que vous avez exactement le ministre des affaires étrangères vous commission ñu wax ko euh, processus ñuy ñuy saluer loolu mais di gën a di wax nous ñu gën ko accélérer pour permettre à cette couche cette couche de jeunes cette couche d'enfants yoo xamante si ils sont frappés de d'handicap visuel am ñoo xamante si aussi euh, ay malvoyants Nous ñu leen permettre ñu def li nga xamante ne si éducation di seen jàng parce que c'est un droit boo xamante ne si yaakaar naa ne suñu constitution moom moo leen ko conférer et comme état bi mu ngi ci euh, logique ñuy ñaan rek ñu gën ko mëna gawal pour mën leen permettre à cette génération là ñu mëna def li nga xamante ci moy sen jang je vous remercie merci Ousmane Thiam